auditrices, auditeurs, bonjour. Il est 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadri et à mes côtés Rukayetou Abdraman. L'édition est assurée par Adam Dawaki et à la technique nous avons Abdelkader Chambialo. Bonjour Rukaya, comment vas-tu Bonjour Salamatou, je vais très bien. Aujourd'hui, comment allons-nous accompagner nos auditeurs nous débutons avec le flash d'information suivi de l'entretien du jour. Ensuite, nous ferons un tour dans la région de Dosso pour l'écho des régions. Dans la rubrique hebdomadaire du mercredi, nous parlerons de l'environnement. Après le loti préparé par les femmes du studio Kalangu, nous aurons la page sport et de la bonne musique 100% nigérienne. Enfin, nous bouclerons cette émission avec les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs, on débute cette émission avec le flash d'information. Il nous est présenté par Nafissou, ah, Nafissatou Adamou Sirfo. Désolé Nafissa, <laughs> bonjour Nati. bonjour à vous. Alors, euh, le premier vol charter à son, avec à son bord 342 pèlerins nigériens pour le Hajj a quitté Niamey ce mercredi 22 mai 2024 selon le commissariat à l'organisation du Hajj et la Omra Koho. Dans le calendrier établi par le Koho, les vols allés se dérouleront du 22 au 30 mai 2024. Et pour parer aux difficultés constatées dans l'organisation des précédents Hajj, le Koho a attribué cette année le convoyage des pèlerins à Niger Airlines. Et pour rappel, cette année, l'Arabie saoudite a reconduit au Niger le même quota que l'année 2023, c'est-à-dire 15 891 peu le le chef d'état-major des armées du Niger, le général de brigade Moussa Salou, a visité hier la base militaire de Gindimi à quelques 130 km à l'est de Difa. En s'adressant à ses hommes, le général a indiqué, je cite, Je suis venu pour vous passer un message fort du chef suprême des armées, le président du CNSP, ainsi que celui de tous les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est un message d'encouragement, de satisfaction et d'une fierté que le chef de l'État m'a chargé de vous adresser, a-t-il précisé. Toujours au cours de sa visite à Difa, le général de brigade Moussa Salou s'est rendu sur le site des travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole du Centre de développement agricole de Difa. Le chef de l'état-major des armées s'est dit satisfait des travaux en cours en soulignant, je cite, que ces travaux sont d'une importance capitale pour nous car non seulement pendant son exécution, il va offrir du travail à des centaines de jeunes ici à Difa, mais plus tard, quand on aura les retombées avec les productions de riz et du blé, ça contribuera à une indépendance alimentaire de notre pays. C'est ici que prend fin ce flash d'information. Merci Nafisa et bonne journée à toi. Merci à vous de même. Et comme annoncé à l'entame de cette émission, nous écouterons un entretien avec euh, ton homonyme Salamtou. Mm. Elle, c'est Salmou Moussa. Elle est secrétaire chargée du JAR et de la promotion de la jeunesse à la délégation spéciale de la ville de Zender. Mais avant, chers auditeurs, pour bien nous installer, nous vous proposons le titre Calmate de Elsa et Didier Mastortaf. <laughs> sibi mi dirgogina naga doriga kweno na te manta ai to kalmate mate sayo o mate ir koi ai kalmate mate sayo o mate ir koi bai kalmate mate sayo o mate ir koi bai kalmate mate sayo o mate ir koi bai no gandiga bai kalwai borgajere borganiga zuwa ine ine ine bubai filana ne

Ah, hein, ah, eh, eh, Chers auditeurs, calmatez que vous êtes en train de kiffer. C'est une chanson qui aborde le fléau des commérages et des critiques incessantes. Les deux artistes dénoncent avec force ceux qui passent leur temps à se mêler des affaires des autres, sémant le trouble et la discorde. Cette critique sociale, euh, met en lumière l'impact négatif des ondits sur la vie quotidienne, rappelant l'importance de respect et de respecter la vie privée de chacun. Kalmaté Elsa et Didier Taf offrent une réflexion pertinente et nécessaire sur les comportements toxiques d'une société. Kalmaté, chers auditeurs, on écoute. baskan oh matela ilikuwa ibaina gagra ilka majasi damfana ya go brusi mirogo prop aini santa ali yarima chana bakanda enzo kebi kama chemuni mwangalito tv uwe mama lezi sajala sajans Mohamed Al-Gumaret Isaac Soro What's up with that dude? Oh, chers auditeurs, calmatez. Calmatez, Rukaya. <laughs> Comme disait Elsa et Didier Mastertaf. Et chers auditeurs, nous vous proposons de suivre euh, à présent la première partie de notre entretien sur la euh, place de l'entrepreneuriat féminin avec Azender, avec euh, Salmou Moussa. Elle est secrétaire chargée du genre et de la promotion de la jeunesse à la délégation spéciale de la ville de Zender. Elle est interrogée par Ruketo Abdraman. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un secteur, disons, qui n'est pas méconnu, mais qui n'est pas euh, modernisé. Parce que déjà, machallah, il y a nos mamans qui sont dans le commerce bien avant que l'histoire de l'entrepreneuriat ne commence. Aujourd'hui, machallah, Zender, je peux me dire, je peux me permettre de dire que Zender, les femmes, elles ont une place importante. Je peux prendre juste l'exemple de la dame de al kaiki Aujourd'hui, son nom est loin. C'est elle seule, ah C'est elle seule vraiment. Et bien d'autres qui sont là, et qui sont des exemples pour, pour notre ville. Donc je dirais que la place de la femme zenderoise euh, dans ce secteur est très très importante. Et elles font quel genre euh, d'entrepreneuriat Voilà, l'entrepreneuriat a pris plusieurs formes. Il y avait la forme traditionnelle. Aujourd'hui, il y a une forme plus, plus moderne qui est sur les réseaux sociaux où les jeunes filles sont elles sont en train de s'adonner à ça. Elles vendent des articles. Elles sont en train de s'améliorer dans ce sens. Mais il reste beaucoup à faire. Mais je, moi, je crois. je sais que demain, on sera, on sera des exemples. On est déjà des exemples, mais on va encore porter loin le nom des Indiens, Inch'Allah. Et ici, elles font des activités ou ont des entreprises. Qu'est-ce qui bloque l'émergence de leur activité ou de leur entreprise Pour ce qui est de qu'est-ce qui bloque, la communauté n'a toujours pas accepté qu'on a dépassé ce terre de, tradition, de vraiment comme on fait avant. Maintenant, les gens ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent. On préfère toujours ce qui nous viennent au détriment de ce qu'on fait. Alors que ce que nos femmes font a beaucoup plus de valeur. Ce que c'est fait avec amour, tout ça là. Donc, ça ce, tout ce problème-là autour, ces fléaux, nous empêche d'avancer. Mais, comme je dis, c'est en bon terme si on est en train d'avancer. Vous voulez dire qu'avant, il y a des inégalités qui empêchent aux femmes eh, d'émerger dans ce domaine entrepreneurial, si je comprends bien Oui, parce qu'il y a la concurrence qui est là, la concurrence qui nous vient en dehors de nos frontières. On est vraiment serré, serré côté-là. Mais il y a déjà une prise de conscience dans ce sens, parce que quand nos femmes font des choses, elles sont en train de valoriser et la communauté est en train d'accepter. Donc il y a une évolution déjà à ce niveau-là. Vous avez un chiffre, les, femmes qui ont vraiment réussi dans ce domaine entrepreneurial, à part la dame qui fait le, le Je ne veux pas me permettre de, glisser sur ça pour ne pas mentir, mais je peux dire, si je peux juste dire, hein, selon mon avis, c'est que on peut déjà dire qu'on a 50% dans ce sens-là. Mais je n'ai pas un chiffre exact. Aujourd'hui, à Zender, quand une femme décide d'entreprendre, est-ce que les hommes permettent à leurs femmes euh, d'évoluer dans ce sens Est-ce que les hommes permettent à ces femmes d'évoluer C'est encore un autre problème. Parce que pour que l'homme accepte que sa femme autre chose, qu'elle puisse te, développer, c'est le combat quotidien. Mais il y a vraiment des hommes qui soutiennent leurs femmes, qui les aident et qui émergent dans ce sens. Entre femmes, comment ça se passe Entre femmes, c'est toujours... Euh, voilà, il y a la solidarité féminine, mais il y a encore quelque part de la concurrence. Ça, c'est un peu la nature. Mais vraiment, il y a vraiment une solidarité féminine. Mhm. Voilà, chers auditeurs, c'était la première partie de notre entretien du jour. Mais avant de poursuivre la deuxième partie de notre entretien, marquons une pause pour écouter une deuxième musique du défunt artiste Moussa Poussi avec le titre Zatao. amma baka rauka to da harai kate da tauka kwai dudura bonko na isi dono kana ga duru dono din gana ga ka amma kwai kai ne da bere wayen dina ha man ga dono jara amma ne turmi ya ci dau wai hun na dono ma <laughs> kamar wawa ba wawa ba abanda argurje ye argurje misikoi gurje ni zata ta wa dan fatima gasar kafoni kalgudan gamkale warga wai sorkai gida buro baba na samu ye baba e baba yambe bawa e bawa ye baba na samu borkan si bai si bai dai no kama ai ne da samu te gabi yaramai komai wata lakala borkan na bere karganda kanye ka baba karganda ni bai ni zo si forun se ninno ti joru bandado ai moti soraka banda do hawa ka ai kananan bi. da do benya na de sandi ga oi borai gaba musa sorkai borai gaba musa gudal borai gaba musa gam ne ni gaba musa e bawa e bawa ye baba na samu muro gurgu sandire yeah. aikwai kafin buhon laizai a kini kurunya no bawa wanda wai yiliyan kurunya bagori kurunya no bawa gimasi kurunya no bawa sai ni salamu yan kurunya ibar futa ga tangarina sai ni salamu ta kwaize alo maro macan ninsa madi haram madi yesi kale yesikoma kakeniga ebawa ebawa e borogosanire e e aidaitimusa kusize badaigajire bidonono muhamma kwara kanaiza Warkan miya mangwayin biya Girman miya ni wasa Nafisa baba no Musa Rahina baba no Musa Rajiya baba no Musa Barina baba no Musa Umaru baba no Musa Yasina baba do Nisa Eh baba boy ga fongo kai ne darnya ga dai zanai fongo do sobore wayin suru darnya ga dai zaya bunu ai lokacin da ko size darnya ga don ganje se ai mai ga don ganje se darnya ga don zimmai se ai mai ga don zimmai se zamilati soro kabanda da ai kulun duwa duwa yanda baba ebawa murobuugusanire Voilà, chers auditeurs, après cette balade musicale, nous allons passer à la deuxième partie de notre entretien sur les difficultés de l'entrepreneuriat féminin à Zander. Écoutons Salmo Moussa, secrétaire chargée du GER et de la promotion de la jeunesse à la délégation spéciale de la ville de Zander. Elle est interrogée par Rukayato Abdraman. À Zander, de quoi bénéficient les femmes pour euh, avoir plus de performances dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'il y a des formations type proposé par des structures, l'État Oui, il y en a. Il y a par exemple euh, le CIPMEN, il y a FOFPA qui est dans ce domaine. Donc elles sont en train de suivre des formations et euh, elles se cherchent aussi. Il y a d'autres qui payent parce qu'elles ont compris que ça, ça porte. Donc il y a d'autres qui sortent pour se former. Il y a d'autres qui, quand elles sortent pour se former, elles viennent elles aussi former ses pères. Au vu du constat de tout ce que vous voyez, sur ce terrain. Est-ce que euh, l'entrepreneuriat féminin a de l'avenir ici à Zenda Oui, je le dis avec une voix haute. Oui, oui, oui et oui. On est en bon train. Et Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, on va porter haut les couleurs. Qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes en bon train Déjà, il faut voir l'intérêt que les femmes ont porté parce qu'elles ont répondu massivement et déjà pour nous ici à Zender, c'est une toute première que le conseil organise quelque chose du genre. Cela prouve que ça les tient à cœur. Et vite, vite, elles ont répondu présent et elles ont aussi voulu intervenir pour donner leur, leur comment on dit, leur expérience, leur vécu par rapport à ça. Et elles ont promis aussi essayer de tirer d'autres jeunes, de former d'autres jeunes. Donc voilà, c'est ce qui me donne ce courage ou bien c'est ce qui m'anime à vous dire que oui, l'entrepreneuriat ici à Zender a toutes ses chances. En fait, c'est un oui tout simplement. Ça va aller. Les femmes, elles ont des idées vraiment innovantes. Elles créent des produits, oui. Mais est-ce que l'écoulement pose problème Par exemple, si je prends euh, les femmes qui sont dans, dans les pâtisseries, interviennent dans les pâtisseries. C'est pas facile, c'est pas tout. En fait, pour eux, jusqu'à présent, ou pour nous, j'allais dire, jusqu'à présent, partir s'acheter un petit croissant, c'est un luxe donné qui n'est pas donné à n'importe qui, alors que c'est juste, c'est juste un mets disponible et qui est à la portée de tout le monde. Jusqu'à présent, on croit que le fait de se réveiller un matin, aller se payer des petits croissants, c'est un problème, ou bien c'est juste quoi, un luxe autant aller payer son tchétchéna ou son petit beignet, c'est fini. Alors que les femmes aujourd'hui, c'est un travail. Faire euh, confectionner, c'est différent, mais c'est tout un art. C'est des, calculs, c'est tout ça là. Comment l'écoulement se fait L'écoulement est vraiment difficile parce qu'il y a la concurrence. C'est pas facile. Non seulement c'est pas facile pour elles, vu nos réalités, peut-être caractère conservateur. Voilà, merci pour nous, voilà, ce phénomène-là. C'est pas facile, mais aujourd'hui, elles se font petit à petit une petite place avec les, petits séminaires. Elles essayent de d'exposer voilà, avec les connaissances et tout, quand il y a des petits anniversaires, tu connais quelqu'un qui est la pâtisserie, oui, donc donne-moi son nom. Donc tout ça, la petites euh, publicités un peu partout. Mais ça reste, ça reste jusqu'à présent. Mais c'est pas impossible. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des cadres qui permettent aux femmes d'exposer leurs produits en vue de découler le stock est-ce que euh, ici à Zender, on organise régulièrement des foires Non, c'est pas fréquent mais c'est à des occasions. On va s'atteler dans ce sens, on va essayer de trouver comment faire, mais c'est vraiment à des occasions. Mhm. C'est pas fréquent. Mhm. Mais Fils là, les partenaires sont en train de faire leur mieux pour que ça avance. Ça va aller. Voilà, chers auditeurs, c'était la fin de notre entretien du jour réalisé par Rukaito Abdraman. On prend une petite pause et on vous revient juste après la rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Le changement climatique est une réalité au Niger, raison pour laquelle des autorités ont, à travers l'ONAHA, l'Office national des aménagements hydro agricoles, euh, jouent sur le calendrier culturel. Elles prennent aussi en compte le désensablement des cours d'eau et du fleuve. Plus de précisions avec Sabiou Ibrahim, directeur régional de l'ONAHA Tilabiri, au micro de Alamine Ouacha. Effectivement, le changement climatique est une réalité et il faut en tenir compte. Dans ce sens, nous nous faisons et ce qu'on appelle adopter le calendrier culturel aux situations du moment. Donc maintenant, nous sommes en train de voir déjà par rapport à la campagne de saison humide, comment il faut anticiper pour que les producteurs en profitent des pluies. Ça veut dire qu'il faut jouer sur le calendrier culturel. Il faut essayer d'amener les producteurs à respecter le calendrier culturel, non seulement pour économiser l'eau, parce que lorsque on fait un répliquage sur un mois, forcément ça veut dire que vous allez avoir un producteur dans son riz à maturité et un autre il faut un mois. Donc vous voyez le temps d'irrigation augmente et le coût de pompage augmente. De l'autre part, en ce qui concerne le bramant, il faut procéder à des désensablements, au nettoyage, parce que euh, ces sources d'écoulement vraiment sont ensablées avec euh, euh, le transport des matériaux par le ruissellement. Donc, il faut procéder au désensablement et au traitement des courriers. Ça, c'est les actions que nous proposons Parfois, certains partenaires financent ces aires d'activité, notamment les défenses et restaurations du sol, les traitements de coris, qui vont nous épargner des ensablements de nos cours d'eau, qui sont notre source d'alimentation en irrigation. Voilà un peu en ce qui concerne le changement climatique. Est-ce que cela a-t-il un lien avec la cherté des riz locales Oui, ça a un impact parce que même le producteur, il fait le calcul. Il va faire le calcul, le sac à la récolte lui revient à combien. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup de charges, au lieu d'avoir le coût de sac à 10 000, si à la récolte ça coûte 15 000, mais lui aussi, même s'il ne perd pas, il faut qu'il gagne ces 15 000. Donc euh, cette charité aussi est liée aux différentes tracasseries liées à la production ou à toutes ces difficultés. Comment les producteurs pourront-ils s'adapter au changement climatique Donc l'appel euh, qu'on lance, non seulement aux partenaires, c'est vraiment de mettre un accent sur vraiment euh, les traitements de courrier qui sont en train d'ensabler le fleuve même en entier, qui est le principal cours d'eau et la principale source de notre pays. Et pour les producteurs, vraiment, l'appel qu'on lance a eux, c'est de respecter les consignes des techniciens. Et ces consignes-là, c'est comme je l'ai dit, c'est notamment les respect des calendriers culturels pour pouvoir minimiser le temps d'irrigation et éviter certains phénomènes, notamment les inondations. Il y a là où, si on atteint une certaine période, les aménagements sont inondés. Donc, il faut forcément vais sur le calendrier culturel. Il faut veiller sur le respect de ce calendrier culturel-là pour pouvoir éviter ces périodes-là. Voilà, chers auditeurs, plus d'ambiance avec le titre mongoro de l'artiste Lamido. On écoute. Ah, ma. mama mama guru mama mama mama mama big s big mama mama ah. yari nyame dalar mangoro da alla kau mangoro sabu mingu dabe mangoro ni bani shoko mise mangoro wayo mangoro dadi manguru mm, mangoro ne itachi manguru. lamido music yarumai wakanta naso yau naso da sabuwar waka magoro sabu da inaso ga isha ruba bayan magoro gwara na lasa kafan giwa mai faso shi ya sana sani sha magoro taro na fi son haba na waka su na tuna da yarin ta a lokacin da muke zuwa sata magoro duk gidan da muka haura sai dai kaji mai gadi yana faɗin atar da kore gabun dalle mu labin mu cire sai mu tura a magoro zviyasaka gaba ashuka ichawaje saboda zarumice yari nyamai dalari mangoro da alakawo mangoro zabomengo dabiu mangoro ibanishakomise mangoro wayu mangoro dadi mangoro mm, mangoro da itatiya mangoro wani agidai kisha wani ko awashe mayanasha wani dara na yake sha wani ko daddare ma yana sha wani nuna na yake sha wani ko bai nuna ba yana sha wani na halal yake sha wani ko na haram yana sha muje yarinya mai talar mangoro da alakawo mangoro zabo min guda biyu mangoro ni ba ni sha komi sai mangoro wayo mangoro daɗi mangoro na idace ya mako lamar sai du'a'i zamanin ga ya lalace ba masa ba matan kowa ka gani ta ce na ce dalilin wakan mangoro wacce da wani su fara cece kuce mai tun da kun gane sun gani tsarin su ne kuce da su na amince lalle gyara kayan ka ba ba bane shawara ce amma wani gyara kayan in ka lura kawai keta ce ya san ko kai wani ne ko ba da wani ne jin daɗin ka si da mace take na ka tsike na wani a kiyaye ba rayuwa ba ce in dai mutanen mu ne duya da kai sai sun ga bakin ka mutum bai gadon ka ba amma yayi gadon magana ka in ka biye wahalinsu za su kiɗa maka ganga asara domin ko ciki ruwa ka saka ba wasu su sai sun ce ka ta dabura yarinya mai dalar mangoro da alakawo mangoro zabo min guda biyu mangoro ni ba ni shakko mi sai mangoro wayo mangoro dadi mangoro mm, mangoro da itace ya mangoro Tell me to be sick. Teach you what's in a picky up. Rap à la Yefa. Respect. Mangoro. Mangoro. C'était là le titre euh, Mangoro de l'artiste Lamido. Chers auditeurs, si vous venez juste de nous rejoindre sur cette émission, eh bien dites-vous que vous n'avez rien raté car vous avez la possibilité de réécouter l'intégralité de celle-ci sur notre site web le www.studiokalangu.org. À présent, place à l'écho des régions, n'est-ce pas Salamatou Oui, Ruki, le Bénin a interdit depuis la semaine passée l'exportation de son maïs vers le Niger. Depuis cette introduction, le prix de la céréales à grimper. Cultivé au Niger et également importé, le maïs constitue la base de l'alimentation pour une grande partie de la population. Balkissa Sidi, notre correspondante à Gaïa, s'est rendue dans des familles où le maïs est synonyme de sécurité alimentaire. Voici son reportage. Nous sommes au domicile de Madame Aminou Hadiza au quartier Quartegui en plein centre-ville de Gaïa. Ici, la quarantaine revolue, habillée en robe avec un hijab violet, mère de six enfants, en compagnie de son époux, explique sa situation. to mu dai gai dai mu dai nan dai mu dai muna da damuwa gaskiya tunda farashin abinci an ce masara yanzu tangulanta dala saba'in shinkafa kilo ɗari da talatin to ai rayuwa ya tsangwama kwa lallai da shinkafa ta karu kai dai muna cin masara ga masara ga rogo to yanzu kuma masarar ta karu ga rogon ta karu duk ba su sayuwa kenan cike gani ana cikin matsalar rayuwa tunda da shinkafar ta karu lallai kowa don dongoma ga masara muna cin masara muna cin garo mu to yanzu ga nan dai gari bai tabuwa masara kuma ba ta tabo a dama kamar dala arba'in hamsin ne to yanzu dai saba'in take kuma kwanan ga ta koma saba'in garin ko tangolan dala ɗari hamsin take kai ga babu magana kan tunda yanzu kama kwata-kwata an ce ba su shigowa mazajen daga zuwa aiki su samu su kawo a ci kuma babu aikin can bale a zo a samu a zo a ci to kenan rayuwar dai ta yi nisa fa sai dai Allah ya samu dace en nefe Aminou le mari de Khadija umaru est transporteur a gaya il fait la navette entre Maradi gaya et depuis la fermeture des frontières il est au chômage to aiki da yanzu babu shi gaskiya babu shi dai muna nema muna nema da Allah ya bamu amma dai fa sai hankali wallahi idan ana jin jiki sai wallahi wata ran ka ci wata ran kuma ka ci ba wata ran ma ci guda zaka yi kuma in ka cin ma ba mai daɗi zaka ci ba ana dai samu dai alasa dai kawai addu'a shine farko ubangijin Allah fitar da mu gaba ki da su kuma manyan namu in suna jin mu to Allah ƙara sa musu tausayin mu a cikin zukatan su shine kawai dai abin nan amma dai wallahi ana jin jiki wallahi rayuwar nan ba daɗi ba certain chauffeurs se sont reconvertis en docker nous confie madame Jamila Soumana mère de quatre enfants avec un de ses enfants au dos matakir go kunun da fonda ki da bu hiyai do de na koi am musak jare do kir no am ka am no er mu koyde tongol follo asu bondal mi yale wayande dubora hawru nu sal kirkun su curgusu kalkini zena koy ne sako jarmo so akanda daga masala asin da bani wallahi go wayan dogo irko kabora irko do dirko tam kan hayo am bonno sabbe kino den irgida ke zar nyawo irsenda Le maïs est consommé presque dans toutes les familles à revenus faibles au moins une fois par jour. Il peut être consommé frais, en épi ou transformé en farine pour préparer de la pâte ou du couscous. Si la famille Jamila Soumana en consomme une fois par jour, cette enseignante mère de quatre enfants en consomme trois fois par jour. Et le petit déjeuner, c'est la pâte des fois chauffée à 10 heures et le couscous du maïs. Et la soirée c'est la pâte au moins trois fois dans la journée. Non, c'est pas facile, c'est impossible. Nous, on est habitués à, consommer le maïs. On préfère le maïs en attendant que la situation se régularise parce que avec le prix élevé là, c'est pas facile. Au marché central de Gaïa, une commerçante assise à côté d'un grand récipient contenant du maïs. Elle revend du maïs en détail en sortant du marché nous tombons sur ce chef de famille révolté. nous on trouve ça un peu bizarre on produit le maïs ici au Niger mais les gens se sont retrouvés avec euh, des sacs excessivement chers

shawara da kuma su matan namu gabaki ɗaya amma mu mazan mu ne farkon abin da za mu fara riƙe alkawari da amana La production de maïs étant très faible, la consommation nationale est essentiellement assurée par des importations en provenance du Bénin et du Nigeria. Et selon le président des dockers, environ 40 tonnes de maïs étaient importées chaque semaine du marché hebdomadaire de Malanville. C'était le reportage en rejoint avec Balkisa Sidi. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassimi Grouza. Bonjour Grouza. Bonjour Salamatou, bonjour Ruki. Apparemment, vous êtes en forme, comme Yamé a reçu <laughs> oui, Grouza, bonjour. pour faire du sport. Bien sûr, Grouza, nous partons à Douchi pour parler du volleyball. Oui, euh, Salamatou, dans l'Arewa, cette discipline occupe euh, une place importante euh, sur le plan sportif. Chaque soir, les jeunes seniors et cadets se retrouvent au CES à Kazama pour les séances d'entraînement, nous nous sommes entretenus d'ailleurs avec euh, le président du district de volleyball euh, de Touchi. Abdraman Boubakar nous fait le point de la pratique de ce sport par les jeunes de l'Arewa. On l'écoute. Comme vous le constatez ce soir, euh, la plupart de ces jeunes, c'est des scolaires. Et excepté aussi, il peut y avoir des jeunes euh, donc de la ville qui, de passage, ou euh, une fois ils accompagnent leurs amis, se présentent euh, et ils ont l'amour d'intégrer ce groupe. Donc, en quelque sorte, c'est un sport qui rapproche, qui est social et qui permet vraiment de se familiariser. Et au niveau de la pratique de ce sport, quand vous prenez la plupart de ces jeunes, ils se côtoient. L'entraînement se passe chaque jour Oui, comme vous le constatez, il y a plusieurs catégories. On a donc euh, plusieurs euh, types d'équipes. Il y a des débutants, il y a des seniors, il y a des cadets, il y a des juniors. Et ce qui fait que durant toute la semaine, excepté le vendredi soir, qui est un jour de repos, toutes les soirées, donc les terrains là sont animés. Est-ce que vous avez trouvé là-bas des jeunes qui s'entraînent avec rigueur Oui, Ruki, nous les avons vus à l'œuvre avec euh, leur encadreur euh, qui les accompagne. Ismaël Mohamed fait partie d'ailleurs de ces jeunes joueurs de volleyball à Douchi. Il nous dit pourquoi d'ailleurs il a choisi cette discipline. Écoutons-le. mun ji ma kai muna wara tun kullum ka tashi mun su koyi mun suna yi ka kai shekara na ba pre na wita yana gole to yana college ne na ga matasa da yawa eh, da matasa suna so gole a nan eh to bon wannan sadefan matasa da mun su gune su motsa jiki fi kuma vole tana sa mutun ya motsa jikin shi da kyau kuma kana jin nadi ina ya tashi sa mutane ke son ta ba yanzu a nan dogon duci na ga hali yara kanana ma suna nan suna yi haka ne da ka taso ka ga na gaban ka yana nan gai yana jin daɗi kuma shakku an ya zo ya koma gida cikin horin ciki yake dole kai ma kana jin kuraji in in ka tashi ka gana gaban ka yana yi kai ma ka zo kai yana hudda sunan kwarai yana hudda sunan duci mm. kun taba yayin bulaguro mun sha yin bulaguro presque chaque année ko ne shekara sai mun heta sai mun ta yi swat championnat scolaire ko kuma championnat national Oui, kuna kawo kofi muna kawo tubon ko ba samu ko ko bana samu deuxième place ou troisième place comme ke an vole première place ne ake bada kofi me ana samun médaille deuxième place da troisième place Gourouza partant à Accra où le MENA U17 du Niger jouera en principe aujourd'hui dans le tournoi IFOA B de football. Salamoutou, il faut noter que après sa victoire, 3 buts à 2 devant les éperviers du Togo et une défaite face au Nigeria, les ambassadeurs nigériens vont croiser le fer ce soir à 17h heure de Niamey, les étalons du Burkina Faso. L'entraîneur nigérien des U17, euh, Mohamedou Bachirou dit Arizona est confiant malgré la blessure du capitaine de l'équipe. Il est au micro de Salamatou Kadri. Nous jouons notre troisième match de poule contre le Burkina Faso. C'est qu'il faut dire, c'est que nos jeunes euh, sont dans un très bon état d'esprit, ils sont sereins et ils sont euh, au courant des enjeux sont autour de ce match-là. Ils savent que nous jouons notre euh, dernière carte euh, par rapport à la poursuite du tournoi et ils sont vraiment conscients. Euh, l'ont montré à travers la dernière séance que nous avons eu à effectuer avant le match. Et par rapport à, l'encadrement, nous sommes aussi conscients et nous sommes sereins. Nous allons aller chercher notre qualification, Inch'Allah, dans ce match-là. Et nous sommes en train de mettre en place euh, nos plans et nos stratégies pour pouvoir remporter ce match-là. Il faut aussi eh, un peu déplorer l'indisponibilité de notre capitaine à euh, la personne de Moussa Alassane Bonkano Dikozi qui est blessé au cours du match contre Nigeria et qui malheureusement ne pourra pas eh, participer à ce match pour cause de blessures. Ce que nous demandons à la population nigérienne tout entière, c'est de prier pour nous, de croire en nous et d'implorer le bon Dieu pour que euh, ce match-là soit à notre portée. Ici à Accra, nous allons défendre la patrie, vaille que vaille, pour que la victoire soit de notre côté, Inch'Allah. Voilà, euh, notons que les vainqueurs de ce tournoi recevront leur billet pour la Coupe d'Afrique de foot U17 en 2022 et 5. Voilà euh, pour le sport d'aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Adam Sayrou la page de sport. Merci beaucoup, Grouza. Chers auditeurs, c'était la page des sport. Ruki, c'est l'heure de la rubrique portrait du jour. Oui, tout. nous allons à la rencontre du rapporteur général du Conseil régional des jeunes de DIFA. Abdel Nasser Oumourou est un jeune du manga qui milite pour le bien-être des jeunes de sa région. Son portrait avec Habibou Garba. C'est après l'obtention de sa licence en gestion des ressources humaines que le jeune Abdel Nasser s'est engagé dans les structures de jeunesse. Pour lui, c'est l'unique moyen de, relever les défis auxquels font face les jeunes. Dans un premier temps, je me suis engagé pour la cause de la jeunesse de Manga parce que je me suis senti capable de le faire. Je vois vraiment il y a des points faibles, il y a certains défis auxquels on doit faire quelque chose. Gandhi disait, soit le changement que tu voulais voir en ce monde. Donc c'est pour ça, moi, j'ai décidé personnellement de me lancer dans cette lutte pour pouvoir changer quelque chose du mieux que je peux. Il y a en janvier 2024, comme rapporteur général, Abdel Nasser Oumarou, avec le soutien de ses camarades, commence à marquer son passage au Conseil régional des DIFA à travers le renforcement de la cohésion sociale et l'unité entre les jeunes. Les gens qui ne comprenaient pas au début, on les a approchés, ils ont vu maintenant quelles sont nos intentions. Et actuellement, ils sont là avec nous, ils sont en train de nous accompagner et on leur a donné libre choix. On leur a dit que notre porte est clairement ouverte. Si vraiment ils voient que notre démarche, ça ne marche pas, il y a un souci de parler avec nous, on est clairement ouvert avec tout le monde. La jeunesse de DIFA est en train de nous accompagner et on la remercie pour ça. Certes, aujourd'hui, toute la jeunesse d'Imanga regarde de la même direction, mais beaucoup reste à faire à en croire Abdel Nasser. Euh, la région de Difa est une région particulière, surtout avec la situation sécuritaire dont on connaît déjà. Maintenant, nous, notre cheval de bataille, surtout, c'est la recherche d'emploi. C'est aider l'accessibilité d'emploi. Vous savez, les gens, ils ne savent pas. Ils comprennent que tout simplement, vous êtes un représentant des jeunes. Moi, je vous dis tous les jours, il y a des jeunes qui me viennent avec leur CV, qui me font des WhatsApp ou ils m'appellent pour me dire que dans la DEC, il y a une possibilité d'emploi et ils sont là. Pour Abdel Nasser, c'est le manque d'emploi qui pousse certains à rejoindre le groupe armé non étatique. C'est d'ailleurs pourquoi il fait de la lutte contre le chômage son cheval de bataille. Chers auditeurs, c'était le portrait de Abdel Nasser Oumourou réalisé par Habibou Garba. Dernier tour en musique avec l'orchestre Star qui nous chante du sorbon, une manière de bien clôturer l'émission. gobe irikoi wallahi wangarei zaiga dono wallahi wangaro zaiga dono mariyama tape wande fofo tape wande mariyama wangaro jaise nye fofo anatu kuli yeso maxi manga anatu fatuma baba maxi fatuma baba senko doso bora kulu doso fofo senko doso jama kulu doso senko doso saiga doso. nono Obo Omar Lome Kotunu Zundi Kirma Mabe Shu Abokinani Khadija Samiri Mama Khadija Samiri Mama Dangana Naiga Zungu Mary Mustafa Yadi Muta Jaise, Wangaro Imrani Baba. Obo Dakota Taigado, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo, Yorbo. C'était le groupe Lampo euh, qui nous a proposé le titre. Sorbon. <laughs> voilà, Alors, Salam, te dis, moi, est-ce que tu apportes, euh, tu portes une attention particulière à ta peau pendant la chaleur Eh bien, si ce n'est pas le cas, dans la rubrique L'OTU d'aujourd'hui, le desk femme du studio Kalangu nous propose quelques conseils pour prendre soin de notre peau en période de chaleur. <laughs> Oui, écoutons eh, la discussion que tu as eue avec Aminata Boubakar. <laughs> <laughs> samai dai no fati matinugo irgir koi sabu dai mataron dai mata zankai igir koi sabu wala a to kan da ka dai jonta bunu buna zankai jir koi sabu ni mun fam jonta bunu buni mataga hmm ni mun bai za kan dunga sintini ir dai izai wo irman man du irbon aran man du aran bon halman timosu dini mu halimu fahaman dai se mai halman ta musu man sanni ir dai izai ir kulga hamai gano futtai zu kaini yan fatta ir babir mu kwayi dan futtai zu foyan dumani kaini yan dainu kan girkaji hey wani se kanu bin se son diga tabbatan da kan futta ba ne wo karanga mantin wari fo kan aron kon wano na ga ai bo sin ga wadin nai mile abinda kir koi loktor ga inir gune ine kan manti ka za zawadin banda ai godai ga safar yanke ki futtai zai si halga kasu ngai mandu halga kaso ne mandu dabar kul kan nigi te futtai zai wuse. hmm. ai mandu dabar kulu ai na ba gitti yahan a foyan kai yu mai da amma futtai zai gonu son nai gogo fam halima amma dai har bobu gona karan te kan na ramu mu doga ara he kiyai sai me choho ai ga bai bai hai kan wa da futtai zai wo irdai izai ni bai borai si bai gam kuru kan da mago isi hai kulkan idi igi sambure igi dangai ga hamai gano ifo bonno ni go salon kwai na fati ya dinga ba kan borai ga ham kurai gi himan da cak igi fayanka hey ani ni mo igi me ni mo to faman dai si kan na ka borai ga ham kurai kan yanga fayin ka zamni bai kan bor bi gono bor dara gono bor hama mo gonar musidir gan wadini bor yan gono kan ikurai iga te zanga dai jinu itusiga Bore niga di sandi bore ikurai kogu Agate Zangade, Nanka, da harifata non kan niga di waru waru buryan mo niga kan tabi ba oh son faham ya dinga man ta kul kan ga ham so niga sambu koy ga e no ham fo niga hamu gudu niga kuro gudu ah niga Daiki dai kiyai semi borga te ga bagi kan ga te borga hamusi ye fala min kuro gunga di kur kanu ma goni sai meni molli mu danga mata mai ga ham kuro guni min ga ham kuro gunga gadi hala to ne mi jitu saga wala mun to ne mi jitu saga zam ga fan na mun to ne mi jitu siga ni bun bozan ne ga mo guna ga fisino gal gal gala dai kan ga ne ni jitu su ah ai faham ir dai zan kai ir ga ham kurai gu ko gunu dirman jitu su ir ga mai ga ba kortu mhm ni di wala ya dinga aron wo man ta ji kulduma na rahim ga da ngaran ga mayo ga ba dai kan ngaran ga hamu gu muradun da ji kan ga ga ham kuru ba funan ji him ga bai ji furmano ni tusu ba dai kan mu dungawara kuru kunno gu muradun da ji kan ga ga ham na fa ni ne irin ga ham kuri ba funandi mataga ya din no me ni moli mu ji ir ir yan no gono kan ga ga ham kuru ir ir kulduma ba funandi bor ma har bobu dungawara bor mu bankare bankarai cinu musko gormonan kan dunga gina hau ba he son nai me fata hai kan se futta zai wo fatta ir dai zan kai ga nig bai kan gin har nirga kani kwai ni vaseline nirga tusu ni mo halima ni zan kai wala haku sambu ha yi ga wani duma te kwai ne e ni ko kan fuyi za kai nira kan ni hau faru dunga wora ba ni ga kan gina harara makani fuyi za kara hawo ga furo aga fatta wadinga teni se dama damu masiga vazelin to su kani koyna fu wara dunga wara wallahi niga kimchogo a son wo kai aina ai faham fondo goymo da yamar yangai kan ni nainu hey choro ifo ga hinga tay karse da mantu wani to kala tonton Merci les filles pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en Zarma, présentée aujourd'hui par le rédacteur en chef du studio Kalangu, Alassane Abdou. Bonjour. Bonjour Alassane Abdou. Bonjour euh, Rokaya, bonjour Salamatou. Hunkuna, sanifo ifo noti sanizo kambongere sala. Hunkuna sanizo kambongere sala ndemante kala irgabirambore lakala kende kan eh, andunya labai wani hubero kan rabore gichar marganga fakari. in zari yan goran dan dunya rakan yan ikoi ka haribo biyan maga zar filan si kala yakin maga zar filan si kala yakin maga wani katan sargi zambar fod zonge gadu wega cin da hinza ikoi ka zar kayan dar kan gati eh, anne mabo kan ne anne ma anne haya kulu ir bahuna almanai bahuna turai bahuna da an dunya labo kurce dira matka gace da an sargi zambar fod zonge gadu wega cin ne ko kan da amma kala an nasara jir zambar hinka hando kan sigine me ajir boron cindi hinka gani ko gi tabbatan di zaro kan sigine and sar kinga biodiversity faute biodiversité fota mana zamirga mara bore ga ci watu kulnga ma huna ege wana me afera biodiversité de amantikala matkan ki dawar sai irba hunanu amantikala labo alhalo amantikala her kul kulkan ba hunai labo wobo a wani ki dar wonu ya dinga aga tilasno har no kin himanda ka bai irim ka bai mu matkan nasu kun yongo da kan ne biodiversité ane mizai ane almane ane turi nyange haifo fo bala bo gangano bumbo abahuna alhalo matka agoda irhi mandir ma bazan bu kunno be kan dir sambor se silman kayin fari igine faro man nan fofo wal gire kan bisra asido arakal bu ko zambar taki haram bu ko zongi hinka naidu fo seno zambar taki ka zongi hinka labo bumbo afarga labo harai boreygo ga ba donc heewi kulu di ko kila sabu labo ga ba ba huna ga ba su kunya ina da mi zege ba ba hune hun kun kun la lokare go do hariyen na hannabi no ga yene ga burin su do hariyen na su do hakul ba ina da mi ze matni ba huna gota al manni wato din nigi digi ne kai yakin flan ni gano a tonto am tonto haya da sino hun kun har flan ni go gano hala to nan kina haifo hal karasu no bori yanga bakan dikite subal hal kun manasi manese wi kul mantikla ba huna bunno wosi nigi nan sar saniga biodiversity. Merci beaucoup Alassane Abdou. Excellente journée à vous. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en germain, en tamashek ou en fufuldé, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Ruki, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. ay kutina na rahila usman hango balla yar ay ga niger sirkalango hanga e mi sen ay gonda bon fere ay gumo zama ay godu ay godu fahama yara ay gono labar tabbata ente zan kai bon way boray bon da furta gay bon way boray sigiro atalata furta gay ga ham zingendiya asub niger kalango ay ga sintinno zalandi ga koy jumma guruwai cindi fo kalam koy guruwai cindi hin kana ba to ay go ga ibere kango go nyamai fo kan mahamman usman kan sigine gambo ay go bora me da ame fo kango balle yara ai no muktar abdullahi no ballar de ne goda ma ai kwara de cibilbeli ai ga hangan lorman la ba tabatanti ande ni go salangri sera de er ko tala min no ar wallahi aga tirse wo boray jira. aga tirse zan kai jira. aga tirse wondu si jira. eh e alhamdulillah dai ni zar si karangu sigero ta tinni kul ko arzuma go gani hangan lokaci kulir gani hangan ni furta je bon gam zingen mo sibiti hane go ile sabiyan taranga abi ne to go balla yara fo. kai da no iri go carjarga ñangay maali fo ke gonde tebur ay go iliasu gubays fo mur ker kurnye go ado il kayno fo ke sigine adamu go gan fo gan yirbani seyni agozum balle yara ga hangan asta jokalangusi studio kalangu rajuno kan gonda famai a gonda labari yanka ga tunan di borai da kan yanga kate eh, eh, hayan kan ga borai ga hanganisi ai wodin agira hayan kan ga bon ferai no borai si irga hanganisi zama ga dai rajo kan ga hayo bobo fo margo margo na lo wano kan igate haywa na ga salan an dunya bon iga salan da ko da charan da borai da kan ga te an dunya rajo hanganisi igate lendin eh, vendredi wurwe cindi foko koy midiga way borai si jiro ثلاثة حننيجات ويشير كمبوران جمو فرتا جيجا همزين ديانو سبت حننيجات أيجا سلام تم مدري أبورفو جنجو هل دم بنجرو أشخني جناسي أشخ ابنني آدم علم مونجا جو نما ينجم بومبون فارماسي بورهين كجا ياكو وندا دادا أيجا سلام بريفي زينفو كان فتنيو كان حميد زبو كتما اي بين كاجو ناكو سريغ على غي سمك مكيري أنا تانا تاكا نيكي إسد جسوا تزوا جا وين دا سكي حد أم مصمم أتاري دا استديو Radio kalangu wato ma'aikatan fm da margu da muke tare su a nan tanar muna biye da ku sau da kafa musamman a shirye-shiryen ku wanda ban mu gane komi abin da ke tafiya a ƙasa amma kuma ta hanyar studio kalangu yau kam ya waye musamman bangaren kiwon lahiya da kuma wasu abubuwa wanda suke damu mu kamar noma da kiwo da su wanda abubuwa ne wanda muna cikin jahilcin su amma ta sanadiyar a studio kalangu yau gaskiya komi da komi na tafiya daidai da haka kuma ina so in yi amfani da wannan dama ta hanyar sido kalangu in gaida abokan aiki na waɗanda muke tare da sunan tanit ka kama daga galli makeri da kuma ismail makeri da kuma Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous êtes en compagnie de Rukaït Abdraman et moi-même Salam Kadri. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. N'oubliez surtout pas de rester branché à 17h pour suivre nos journaux en 5 langues. Excellente journée à vous. bye. bye.